Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance en nous les gars, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également du bail les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager gain d'informations, une boki sénégalais, il fait pour les maintenant 14 régions du Sénégal, à nouveau World Cup, ñu ngi leen di jaajëfal ñi également nekk ci dal hôpital yi ci tëdd de feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen génn fa tegu ci seen demu seen njaboot yi plutôt tegu ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xare leen ci àjjana on avance ensemble dans la magie de eSport TV gars actualité bi tey dañuy génn un peu ci cocon mercato entre autres dugg également wax aussi ci nga découverte encore on va aller à la découverte de Formose Mendy le défenseur le plus insolent hein, ci Sénégal ci génération su on est insolent entre guillemets aujourd'hui également c'est le joueur où xam ñu Kalidou Koulibaly aussi ak Yenen joueurs équipe nationale du Sénégal comme les Karambodj entre autres mais d'abord gars merci encore la confiance les gars la famille s'agrandit de jour en jour on continue à s'abonner en masse et surtout gars nous agrandir parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver ngeen dem abonné ci lien TikTok bi nga xam eSport TV 1 eSport TV 1 ngeen abonné ci TikTok bi gis chronique ak aussi def mais également Instagram bi sport eSport Inter pour d'autres choses ak yo xamné moy ay live hein, yu are et tout inchallah on va avancer ensemble gars dans la magie de eSport TV. J'en profite également pour rappeler que voilà, pour le jeu concours, bien ramené moi le défend Ousseynou Ba, vainqueur bi dinañ ko xam. Donc j'attends juste la vidéo euh, de de, de voilà de Ousseynou Ba pour mon ko annoncer et donc voilà, donc pour voir kan moko gagner après ñu défat continuer le jeu concours bi ak yenen nouveauté. On va commencer d'abord avec li nga xamné nak moy football hein. Donc d'abord ak ki nga xamné moy Youssouf Sabali, Youssouf Sabali mi nga xamné aujourd'hui il sera titulaire hein ci match bi nga xamné dafa wara digënté Betis Séville ak Real de Madrid. Real de Madrid mi nga xam dina défal li nga xamné nak moy aide d'honneur wa Betis Séville ndax trophée bi ñu jël mais également aussi bêtise dina leen defal et d'honneur pour championnat bi nga xamné ñom jël nañ ko mais aussi occasion la pour ñu rendre hommage nga xamné donc moy Marcelo peut-être Marcelo bi moy dernier matcham du côté du Real de Madrid Marcelo bi nga xamné ne ba mu Europe ba donc club yi nga xamné ñoo gëna marqué yi nga xamné gëna gëna a gagné trophée tay moy Real de Madrid aujourd'hui c'est le joueur le plus titré du côté du Real de Madrid donc Marcelo le Brésilien amul lu fa jël il a tout remporté Ligue des Champions également et que ren mi ngi dem finale Ligue des Champions j'espère que ne moy nek finale bi nga xam da perdre contre le comédien Liverpool c'est mon souhait ah ku nek am nga droit faral ko neex mais man Sadio Mané la faral le ci match bi ni côté mercato un peu aussi ki nga xamné nak moy donc José Fonte Font Fonte mi nga le portugais défenseur portugais ancien joueur de Southampton Hein. donc euh, euh, dafa prolongé d'un ans avec euh, Lille Mom, mi nga contrat de na jeexoon na mais dafa prolongation un an Pour 2023 avec Lille ndax avons nañu déggoo du côté de l'Italie ki nga xam ne nag donc José Osimhen hein, Osimhen Victor Osimhen plutôt Mom, le ñu Victor Victor Osimhen mu le meilleur joueur hein, ah, MVP euh, des joueurs âgés de 23 ans moins de 23 ans Victor même l'attaquant donc euh, des euh, hein, des Super Eagles du Nigeria qui a fait na saison époustouflante qui ngeen également qu'un d'autre ko hein, Marcelo Brozovic le meilleur milieu de terrain de la Série A Brozovic qui n'y a pas de tout ñi fait, hein, Paris Saint-Germain également technique, il y a d'autres clubs qui également ñi ngi ciy pour aller di Marcelo Brozovic le milieu de terrain euh, de l'Inter de Milan du côté de l'Angleterre Kevin De Bruyne le meilleur joueur de la saison du côté de Manchester City Kevin De Bruyne le Belge xamné gay il a porté Manchester City ci Ligue des Champions bi mais également en hein, championnat bi actuellement keroog buñ ñu dóoree ah moom na ci tax ñu dóor hein, sen match bi nga xamné ne dafa dugal un quadruplé la ki nga xam Kevin De Bruyne mais aussi ki nga xam moy donc euh, Pep Guardiola wax na ci Gundogan nee na maa ngi liir fépp gars yi Gundogan day dem et tout mais man dama bëgg mu tok waxaguma ne day dem en tout cas j'espère qu'il va rester parce que c'est un joueur boo il est important pour nous mais Gundogan il a besoin de temps de jeu est-ce que également day dem wala du dem pendant ce temps Angel Di Maria gis ngeen maillot bi tous les joueurs du Paris Saint-Germain ñom ñoko ko signé mu posté ko ci Instagram merci beaucoup pour l'amour de toutes ces euh, années donc moi, je nga xam Paris Saint-Germain de demain donc célébration rendre hommage et tout Paris Saint-Germain bi également devinez kan l'un des di jox trophée Bernard Lava ci le beaucoup. Hein. mais aussi une autre légende bi André Tchevchenko, ne Andrei Shevchenko pour Paris Saint-Germain li nga xam Moi, 10 dixième titre hein, de la Ligue 1 française titre le boo également ñetti a toujours dugg ci terrain bi donc muy ki donc Marquinhos comme capitaine Marco Verratti comme l'un des plus anciens ou le, le, le plus ancien ak aussi ki nga xam ne Mbappé parce que Kylian Mbappé également parisien dañ ko bëgg bëgg mu toog donc ñett ñoy ñooy pour recevoir li nga xam ne donc trophée champion 2022 du Paris Saint-Germain ki ngeen gis ne gars moy mooy l'émir du Qatar émir du Qatar nak gars yi nañ day ñëw fa nga xamné samedi samedi bi war na ñëw fa nga xam Paris Saint-Germain pour le jënti yenn affaire parce que moom dafa bëgg def ménage dafa bëgg raxasan ah, foweere fépp am na lu bëri yoo xam day changer ci direction Paris Saint-Germain muy management bi et tout et que moom tay Zidane la jël def ko prioritairement ah, mais Arsène Wenger également ñu ngi koy wax comme directeur sportif et que ñoom ñi ngi def lépp lu ñu mën pour ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé daal di fay toog du côté également de du FC Barcelone ñoom ñi ngi def lépp lu ñu mën pour ki nga xam ne donc moom mooy donc Kevin euh, plutôt am tëri euh, De Jong Franky De Jong daal di fay toog ndax Frenkie De Jong dañ ko bëgg a dañ ko bëgg a jaay ndax dañoo am ay problème koppar mais ki nga xam ne mooy Xavi nañ jaay ñëpp sauf De Jong De Jong moom du dem fenn tax nag ñu dugg si nga xam ne gars yi mooy daj dëpp gi ki ngeen gis ni di Formose Mendy Formose Mendy gars yi il est né en janvier 2001 c'est un joueur international sénégalais qui mesure 1m99 également il n'est plus à présenter il a fait ses débuts hein. d'abord il a été formé à Darussalam. Salam également, Salam également formation euh, parce que nous, wax génération foot mais formation donc gis il a débuté en 2019 avec hein, les U20 de l'équipe nationale du Sénégal Formos Mendy Coupe d'Afrique ba ñu dem ba finale Formose Mendy a joué mais Formos dañ ko joué arrière droit arrière droit le joué pendant toute la compétition Nous avons également ci nga xam Coupe du Monde ba mu Coupe du Monde également Alpha Dionkou mi nga xam Barcelone nous avons préféré jox ko place parce que Formos Mendy c'est un comment dire, hein, c'est un, un, défenseur central et, c'est un joueur également il est pétri de talent malheureusement Coupe du Monde de bien hein, gars dem nañ fa Sénégalais yi dem nañ fa ñu qualifié hein, ah phase de groupe yi vais bien le match c'est un joueur boo après par la suite aussi comme je l'ai dit dans ko formé académie il y a un am na yeneen joueurs yu fa génne ko ci mel Samba Diallo euh, Darou Salam li nga xam ne commencé gars di wuy di maintenant ay joueurs comme ni ko ñi nga euh, donc Djamba de Défé, comme également ni Génération Foot demain. donc nañ ci bàyyi xel académie Darou Salam ils font un excellent travail comme Jambar comme Dakar sacré comme Génération Foot comme Kenan Kenan Kenan après bamou mu nak fa nga xam moy ci Salam ci la dem du côté de Porto donc il est parti à Porto le 30 août 2019 dem ci Porto nak di jouer ici réserve bi la qu'on di jouer hein. il a joué avec les réserves de Porto mais il n'a pas duré là-bas un la fa def fa le 5 octobre 2000 va fi nga xam du côté de Bruges Bruges également sept matchs le jouer du côté de la réserve de Bruges qui est un ne mooy Formose Mendy mu xam ne nag jamono ji bu toogee réserve rek dañ koy réservé muy toog ci banc avec yooyu du côté de Amiens il est venu au niveau de Amiens en 2021 donc ce euh, ma le 1er juillet 2021 Formose Mendy et il lui a fallu 6 mois gars Machallah, 6 mois pour Formose Mendy ah mu imposé du côté de Amiens et li ma neex ci booy bi ngeen dégg may wax Formose je ne le connais pas Yalla xam na je ne le connais pas on s'est jamais vu et tout mais formol Mendy c'est un joueur ba xamné pour man il a de l'audace dafa il est insolent il est insouciant moy ko formo c'est un joueur bo déjà techniquement il est bon c'est un joueur qui a le sens du placement et c'est un gosse bo également il peut jouer arrière il peut jouer arrière droit bu excellent défenseur central à droit mon jouer défenseur central gauche Moi, jouer arrière droit parce que également son pied fort c'est le pied droit mais c'est également un joueur bo il est athlétique il est bon de la tête jeu aérien me dit il est presque imbattable. Je ne vais pas dire qu'il est imbattable, mais il est presque imbattable. Et l'autre point également, Bitar Tay, Fourman, un joueur, c'est un joueur d'avenir, c'est que d'afin Ben action, Bohamne, si saison Binoudougou, d'afin, euh, Wanene Boy, il, il, il, est, il est mature. Également, vous jouez terrain, il joue avec une certaine insouciance. Boy, Dafa Wane, Dafa moi, je connais, match le Bohamne, de jouer, j'oublie le nom du club, Daniel, mais jouer, d'afin, qu'on faut, derrière, en gagne, Formose, Moko Bord, ah gars yi def nañ ko image sax fi nga xam ne ci France boot ko génne ko ba ci biti kaf ak moom teg ko fi dem match bi pour vous dire que le gosse il n'a peur de rien et le jeu de tête de Formose Mendy il est excellent loolu la war a travailler parce qu'il a marqué un seul but cette saison mais Formose Mendy il est bon de la tête wax a ne ko balle aérien yi balle aérienne plutôt il est imbattable sur ce point Montre sur ce point il me rappelle un certain Kara même bu fekkee qu'il est justesse côté Bob, c'est quelqu'un qui il peut travailler sur ça et également un certain Pape Abou Sissé aussi il est bon de la tête me dit également l'autre particularité de ce gosse c'est que le gosse également il est bon par rapport à ses relances L'ol n'est qu'on ay points faibles mais depuis qu'il a évolué quitté Darussalam dem fi nga xam Porto dem également fi nga Bruges Amiens avec la confiance bi nga entraîneur avec la confiance staff le gosse il te fait des relances exceptionnelles. Donc, quand tu le vois, Formos, tu as l'impression que Kelly du Koulibaly qui fait des relances parce qu'il a des relances limpides et que chaque fois, il est un joueur il ne fait jamais dans la rétropasse. C'est-à-dire que Formos, pour que vous jouez d'habitude derrière lui, c'est très très rare. C'est un joueur il maîtrise ce qu'il fait. il a aisance technique, mais aussi c'est un joueur il est calme, il est lucide et il sait lire le jeu. C'est ça qui m'intéresse dans ce gosse. Il sait lire le jeu et c'est parce qu'il sait lire le jeu, Chaque fois, boy, cette relance immédiate c'est des relances propres et c'est un joueur mais également également sens du placement d'Afabar comme Khalidou Koulibaly il est presque presque jamais hein, pris dans le dans le hors-jeu c'est-à-dire que il prend plus les défense les attaquants adverses dans le hors-jeu que Mom lui permettre attaquant un di bédignon de déborder et tout donc c'est un joueur mais quand même également il a ses lacunes hein. donc les lacunes de FOMO, c'est-à-dire qu'aujourd'hui également il doit un peu plus travailler son pied gauche il doit un peu plus travailler son pied gauche également son jeu de tête D'accord, on travailler pour moi il y a le point où ko D'accord, a fonk mais aussi avoir beaucoup plus de calme parce que aussi lol moo xaw a manqué que maturité bi et dina ñëw c'est-à-dire que amna insouciance boobu moom faalawul lenn comme Bamba Dieng et tout mais avec également li nga xamné moy donc expérience bi am ce sera un joueur qui peut beaucoup apporter à l'équipe nationale du Sénégal et je ne le dis pas pour ñu wax équipe nationale A mais dama bëgg aussi yeneen catégorie ñuy def comme ni France di def équipe nationale espoir bi ñu leen di jox gëdd di leen jouer les compétitions yu gëna maga mag di leen jox ay match amicaux yi pour ñu mën préparer coupe du monde coupe d'Afrique ak jeux olympiques de ci am solo gars yi lii laa di tàggoo ak image wu Lodiato ja ngeen jëf joxe leen seen xalaat ci